conduire la délégation des Africains. Mhm. Donc Mati n'était pas chez Poutine pour représenter le Sénégal, il représentait l'Afrique. Mais le mhm. jour bobu, mhm. presse française bi dafa doon sànni xeer Macky Sall. parce que bu les pays africains euh, affirmé contre la Russie. africains yi dañoo après les ministres allemands et français des affaires étrangères dem Addis Abeba pour plaider waat africains taxaw loolu dañ ci meree mais déjà mais ce moment là le Sonko mi ne woon fait defati interview avec le journal français jox interview France 24 ci moment bobu la français di attaquer Macky Sall gis nga affaire yi yenn say yi gars yi dañuy toj seen rek. wa mm-hmm. mais de toute façon gis nañu souverainisme discours souverainiste bi ñuy wax yëpp dañuy wax France mom vraiment bëggatuñu amaat même rapport yi comme avant euh, gis nañu sax euh, que ñom nee rompre nañu déjà licence de pêche ñom ñoom ñëk wax on a entendu Sonko dire que c'est parce que ñun ñoo ko njëkkoon wax. ñuy gaawantu mais loolu dootul amati et puis tay aussi gis nañu le président wax ni il a eu un entretien téléphonique avec le président russe que d'une fa dem prochainement et quand on parle de la Russie maa la koy wax aspect sécuritaire bi dans la zone euh, des trois frontières mën nañ ko fa évoquer aussi oui d'accord mais quest commencer est-ce que la Russie a pu à part Centrafrique Russie a, la mhm. Russie a réussi un coup là-bas, mhm. mais c'est parce qu'il y, a des ressources à prendre là-bas. Mhm. À part la Centrafrique, la Russie n'a pas reçu sa mission dans, au Mali, ni au Burkina, ni au Soudan.

parce que c'est ça parce qu'ils sont arrivés au bout du rouleau où l'économie est complètement à terre Nous ils ba euh, des francs rançon des PDG de société nee dañu amal état ça s'est passé 160 millions de dollars tu vois maintenant dans la stratégie aujourd'hui on avons une France dégage France ceci France de mm-hmm. mais Côte d'Ivoire qui est à côté Côte d'Ivoire fait 15 000 milliards Mhm. de budget. Mhm. que France Côte d'Ivoire le que Sénégal. Sénégal c'est un précaré administratif. Mhm. mais du point de vue. des ressources économiques. les Côte d'Ivoire est peser. ak les Ivoiriens dans l'afrique de l'Ouest Sénégal au contraire notre port est en train de s'affaisser. notre économie est en train de reculer, on devient pro-productif, mais malgré le pétrole et le gaz, l'État n'arrive pas à développer une stratégie. parce que ñii dañoo gëmloo woon ne Sénégalais yi ne pétrole beeg gaz bi dañ koo sàcc moo tax premier ministre ci dégg mu wax ci dafa mel ni moom loolu loo xam ne bu koy wax au bout des lèvres la lay ne dañu bëgg renégocier contrat yi non non renégocier waaw xam nga Les ils vont gagner du temps mettre une commission on relire ko finalement. Mhm. mais on a le cas de l'Arabie saoudite. oui bañ fi daggee dafa ñëw rek ñu dagg. ak waa waaw mhm. moi je l'avais dit c'est une. Mhm. aqua power, c'est une grande erreur. parce que bo ñëwee même bu et Macky dako à la dernière minute. C'est pas de la passion c'est de l'intelligence qui partenaire stratégique là. dañuy l'Arabie Saoudite, c'est le deuxième partenaire. En termes de pays après la France ici au Sénégal en train de mu jaar dagg dans dans dans li may wax activisme politique pour wan sénégalais yi ne oui on a trouvé des <laughs> dossiers une souveraineté on koy reprendre dañ koy reprendre ils se sont rendus, ils se sont bourrés Voilà. finalement le président il est allé profiter d'un forum avant muy il sax yónni woon na son son décès pas <laughs> recevoir ko parce que c'est stratégique son directeur de cabinet oui gars yi ne leen non mm. lii boo leen ko delloowul ci package les duñ leen jàppale mm-hmm. moo ñu non maintenant ils se sont entretenus Nous, ko du ça va pas évoluer <laughs> non non dañu ko fekkoon lañ koy delloowaat fañ ko maintenant yow mm-hmm. quels sont ba nga toogee ba léegi. Mm. lan nga dégg en terme de création d'emploi dégguñu ko de dégguñu ko de. gisaguñu leneen de fu ma tourné ñu ne on va faire une loi sur la souveraineté économique. te balaa ngay defee souveraineté économique nga gérer sa éducation. Mm-hmm. ban jeunesse nga am boo xam ne mooy répondre à économie actuelle bi. gisuma ko de. amul amul de. nee nañu d'ici dans la fi Hmm? di cag-cag ni di cag-cag yaakaar nga ni mën nañ la yoral benn entreprise mënuñu ko parce que jàng du parce que mënu c'est pas que mënuñu ko dañu jàngul ils ont abandonné l'école depuis depuis mais en plus de ça hmm. tu prends une économie complètement extraverti. waaw waaw extraverti. tu vas tu vas hmm. construire ta souveraineté. waaw moo tax ñu bàyyi affaire sans français FA bi. waaw parce que tu une économie tellement tellement extraverti. tu vas tu vas tu vas construire ton économie il faut un sacrifice énorme

De 8 pôles vous avez financé bu la banque mondiale joxe Reculus, tu as encore 2 à 3 ans pour faire valider C'est pour là par les partenaires techniques et financiers mhm. alors que tu as les products, les zones même bu que amna lo xamné nangou nañ les DAC là, les DAC là lu ci xamné ne na mais do len focaliser vous pour defar ko duñ qu'est-ce qu'ils ont donc mhm. absolument rien mhm. à donner aux Sénégalais actuellement tay réforme rek lañu mëna indi à l'assemblée nationale. Mhm. peut-être dooleel lo loo leen dégg ñu wax dooleel les les les pouvoirs du premier ministre. Mhm. d'accord nañ ko mais ça ne change rien. Mhm. parce que la grande équation c'est l'économie comment régler le problème de l'emploi des jeunes. ñu ngi dem ci gal gi. aujourd'hui menacé won nañu euh, menacé won nañu la France il recule tay bu ñu demee ci Poutine Poutine mënu leen jox dara. xana ne leen ci armement wala leneen. mais il peut pas le donner grand chose. tay aujourd'hui Turquie ils vont continuer à maintenir le marché mhm. les Marocains suñu suñu banque mhm. suñu assurance suñu orange suñu banana donc ils sont bien imprégnés et même une certaine presse étrangère qui s'est attaquée attaqué le premier ministre dernière sortie bi appelé à la vengeance ñoom ñoom si une jamais vu mm. un premier ministre appelé à la vengeance c'est même pas la presse d'abord <laughs> oui c'est d'abord les membres de l'AS e <laughs> oui c'est vrai. que l'AS, e la ñu njëkkoon. que désavoué. Ousmane Sonko. et les panafricains ils déclaration ils lui ont pas pardonné ça. il est revenu sur ses propos. absolument. voilà. et les gens ne remarquent pas c'est que. le premier ministre ne facilite pas. le dialogue avec les autres pays pour le président de la République. Ah, c'est ça parce que le président vous n'avez A vous mu Z Vous Z vous mu A. <laughs> voilà et donc le président aujourd'hui mhm. il est complètement isolé. Mhm. il est complètement asphyxié. Mais non, il risque là pour lui parce que euh, Ousmane Sonko, vous regardez le Premier ministre, ça va être encore plus grave déjà que des ah, ornés. Aujourd'hui, le président. De ces élections, oui. Finalement, on va dire que le président, il un faire pour nous faire la galerie. Mhm le comptable de tout ça demain sera Ousmane Sonko. Hmm? Ah oui, il faut qu'il Alors déjà on va vraiment euh, mener comme on était en Angleterre Oui, parce que <laughs> parce que mais, président président. C'est ça, c'est ça. mais le président aujourd'hui vous